fis quoi ñëpp japp ni site internet bobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. li ñu dajale fii tey mooy projet bo xamanteni soxna si tudd Sarita di madame Diop mom moko ko xalaat bokk ko ak Jibi Jibi li di flûtiste bu mag machallah de 20 ans en Europe. bi mu demee ba ben moment Sarita xalaat ni war nañ wax ak ñi nga xamanteni ni ñoo ngi def irrégu euh, maanaam euh, immigration irrégulière bon mu waxtaan si ak Jibi ñu chercher histoire bi ñuy jouer ba dal ci histoire bo xamanteni mais jarul woon ñuy dem fenn di ko wëri ndax jibi rek histoire la parce que jibi dafa quitté Espagne yor ay kayitam def fa 20 ans yor fa njabootam benn moment mu ne man damay dellu Afrique gars yi ne ko waa d'accord y a pas de souci mais mu ne jëluma avion damay dox ànd ak sama flûte ba Afrique traverser Maroc amul nag benn coono boo xamante ni daju ko ci yoon bi donc def neuf mois de voyage dox jóge euh, Espagne donc ñëw Sénégal léegi nag problème moo nekkoon ñi muy dajeel ñoom ñi nga xamante ni dañoo jóge Afrique mais bëgg a dem Europe mu bëgg leen convaincre pour ñu retourner ak moom loolu moo tax projet bi tudd contre courant parce que ñëpp dañuy dox jëm penku moom ndeysaan mu jëm soow donc nag loolu moo projet bi nice parce que dualisme boobu am entre ñoom ñaar ci feeling ci envie aussi dans la mise en scène parce que dafa mise en scène entre le traditionnel et le moderne en tant que metteur en scène me touche le à travers la danse la musique ñu def mayonnaise qui xamanteni ki day ñu voyage immigration irrégulière mais euh, immigration irrégulière immigration régulière war naa mën am donc loolu moo ñu dajale machallah et on pense que ñu ngi def tourner bu baax ci euh, dëkk yi pour waxtaan ak doomu adama yi choisir nak dem Sorano wala ñu dem fenen mais dañu japp ne que li ñu moom mooy askan bi ñu fekk si leen ba fi ñu dëkk parce que ñi jël gaay yi des fois xëy na mën na ak ñen ñi donc il faut ñu dem ba fa mu métti ah fa góom bi xonqe waaye ñu wis ko fa donc ci population bi jouer à Sorano avec des rideaux ouverts etc. mais que la population soit là parce que ñun commencé donc théâtre de plaisir en tout cas théâtre est musique la danse moi ci Sénégal moi ci part euh, partenaire projet mais à part man dama sponsor ñun sponsor artistes

maanaam en 2015 bàyyeeku naa Madrid ñëw fii egsi fi 2016 mais si biir yoon boobu yàlla def na tamit moo yor sama toxoro yor sama saag bu ndaw di léeg-léeg dina am benn xaj bu may gunge mais yoon bi yàlla wan na ma lu nee gis naa ko si te li ma gis si yoon bi man neexu ma ndaxte ñoom ñëpp xale yi ma gis yëpp dañuy yéeg di dem Europe man cundum maa doon wàcc si suuf buñ ma gisee ñaan ma mais yow yow est-ce que dofoo pour wàcc si suuf ma ne leen est-ce que yéen dofu leen pour yéeg si kaw ndax risque seen bakkan donc xam nga ñoom seen jugement ñoom seen point de vue la man sama jugement sama point de vue la mais aussi àdduna c'est un choix c'est un choix man nag ñaan naa yàlla bu dee man sama histoire bii nii dina am njëriñ ak changement pour éradiquer totalement immigration irrégulière man je suis fier et je suis très content de pouvoir contribuer de cette façon là te maa ngi leen di ñaan yàlla

occasion le pour ñep pour nit ñi ñuul pour nari pour tubaab bo boo demee dëkk nasaraan propagande lañ leen di utiliser propagande politique extrême droite xam nga di di di di indi tit si nit ñi di indi racisme si nit ñi comme ça légui nak après euh, ñëw euh, euh, immigration irrégulière dafa victime ñaar yon Europe dafa victime si politique européen extrême droite dafa victime si mafia aussi mafia imaginez ay fodia ngay dem di liguey sa euh, journée le di 8 tomates ñu lay fay 5 euros mais 5 euros il la du 3500 fi bo ñëwé fi di def maçon fi ñaar lañ lay jox du 5000 francs mais nañu yé xel yi Le projet s'est né 2018, l'année qu'on a comme ministre de l'Intérieur en Italie, euh, Matteo Salvini. Matteo Salvini a décidé de fermer toutes les portes pour les bateaux qui arrivent dans la mer Méditerranée. Ça veut dire que les gens vont mourir dans les bateaux. Et il a, fait un, il a attendu que les autres pays vont ouvrir les portes. Il a dit, ici, c'est fermé. Dans ce moment, le matin, c'était les 4 mars 2018, j'ai regardé moi-même dans le miroir et j'ai dit si je suis italien, je dois faire quelque chose. Alors, je suis allée dans un centre pour, euh, euh, pour, les migrants et j'ai dit je vais faire la volontariat. Et là-bas, j'ai compris qu'il y a des misinformations ici. Et j'ai dit on doit euh, commencer à informer les jeunes que la migration, et fais attention à ce que je dis, la migration, du Sénégal à partir de, l'année 1980, c'est très différent de la migration de 2020. Euh, Pourquoi Parce qu'en 80, c'est la première migration sénégalaise en Italie. Les Italiens ont embrassé le Sénégal et on a 250 000 Sénégalais en Italie. Ils ont trouvé les visas, ils ont trouvé euh, des travail très facilement. Maintenant, depuis 2018, l'Italie et l'Espagne ont décidé de fermer la migration sénégalaise, pas africaine. Ça veut dire que quand tu arrives, tu es reporté en Sénégal directement par la gendarmerie. Alors, tu as euh, payé ton, ta vie avec la pirogue, tu as payé 000 dollars pour arriver là-bas, et le moment que tu mets les pieds, tu vas, tu vas Pourquoi Parce que le Sénégal, ce n'est pas un pays en guerre. Ce n'est pas un pays où tu vas tuer. Ce n'est pas un pays où les chrétiens et les musulmans font la guerre. C'est un pays de teranga, c'est un pays de paix. Alors l'Europe a décidé que c'est pas le, Sénégal n'a pas le droit d'avoir la protection internationale. Et c'est ça, c'est le, le, message que je voulais dire ce soir à la télévision. Quand tu arrives en Europe, tu ne peux pas avoir les papiers pour travailler. Et c'est une autre chose avec les autres pays africains, mais pour le Sénégal, c'est comme ça. Aussi, il y a beaucoup d'intérêt d'avoir cette condition de migration irrégulière. Pourquoi Parce que tous les politiciens italiens ont commencé à faire du terror sur vous. Et on dit, tu dois, tu dois, moi je dois venir au pouvoir pour te protéger dans les migrants et ils ont commencé à faire du terreur. Et à, à, partir de 2018, on a commencé à tuer les Noirs dans la rue. Oui, on a commencé à tuer les Noirs seulement parce que tu es Noir. 2018. C'est ça, c'est quand le projet est né. C'est ça que quand on a décidé, c'est ça, on doit venir ici et partager cette information. Et c'est le moment quand les, photographies de Benito Mussolini, de le fascisme, s'est retournées partout, dans les sucres, dans les bars. Dans, les écoles, dans les rues, on a vu encore les fascistes. Les fascistes, vous, vous connaissez qu'est-ce que c'est. Alors, 2018, c'était un grand changement. Et euh, quand je suis arrivée ici, j'ai euh, commencé à, partager ce projet et j'ai commencé avec la Fondation Senghor, que je remercie beaucoup. Et j'ai commencé à connaître des personnes qui sont venues dans mon projet comme un, comme calamite. Je parle, oui, je veux faire je vais partager les projets comme toi. Je suis sera à, côté de toi chaque jour. J'ai vu une équipe incroyable. Moussafa de Kermam, il a été tellement passionné avec cette, ce projet. je l'ai expliqué et les jours après, il a, il a euh, euh, porter tous ces acteurs pour commencer à faire la réalité, euh, ce projet comme en réalité. Et bon, je voudrais aussi donner la parole à, eux qui, qui, sont des acteurs magnifiques. Moi, je suis derrière la coulisse. Moi, je suis un tout bab. Je veux que ce projet, c'est un projet pour le Sénégal, avec les Sénégalais l'esprit africain, pas l'esprit européen, l'esprit africain. Alors c'est pour toi que j'ai dit à Sopé, fais tout ce que tu veux. Tu as la clé de faire ce que tu veux, parce que le moment que c'est les Sénégalais qui va porter son esprit, c'est le moment que le Sénégal va prendre la responsabilité de ce grand problème. Et quand les politiques font rien, parce que je ne peux pas croire qu'encore on peut peut pas fermer si on veut vraiment on veut vraiment fermer la migration c'est pas difficile. Hein. On va dans la lune, on peut fermer ça, mais on veut pas. Alors c'est nous qu'on va faire ça.